comment euh, euh, l'opposition y l'opposition un député la gagné euh, ci élection législative passée ak pouvoir bi a la gagné c'est comment de c'est c'est ce qu'il appelle de démocratie hmm un gars bii ne moom fii la jangé bay dem bitim rew ki ne maintenant yow non ngay naté démocratie nga faté démocratie la définition de la démocratie c'est quoi hmm. c'est les libertés de va et bien ça aussi dafa bok ci euh, liberté de la démocratie liberté va et vient Sénégal il n'y a pas de liberté au Sénégal la liberté d'expression xafoor xafoor Touré fan la bay la liberté hmm. d'expression hmm. bay nat ay démocratie ci ay élection mais Gambie Gambie qui était vie bala Adamo Barrow on parlait de dictature de Yaya Djemé, non Mais pour toi, chaque fois, il y a une élection. Chaque fois, il y a une élection. Mm. Yaya Djemé, Gambi, dur durant son règne y a une élection du hmm. Pourtant, il pourtant a une élection chaque année est-ce que nous avons woon gambi nañu Gambie dañ gambi Gambie démocratie non Macky Sall était le premier euh, acteur boo xamante pour la la la, libération su ma comme la libération de la Gambie. Moi, moo pilote l'affaire l'affaire hmm. pour déloger Yaya Jammeh. Hmm. parce que nous dañoo jàpp ni que Yaya Jammeh c'est un tyran. Hmm. pourtant aujourd'hui le ñuy dund ci Sénégal Gambie loolu lañ doon dund <laughs> ma la révélation Gambie lu ñu doon dund ci Yaya Jammeh aujourd'hui le Sénégal vit la même chose. mais c'est naka Arfan. mais pourtant. Eh mais en Gambie en Gambie Yaya Jammeh a enfermé combien de jeunes yoo xamante dañu bëggoon wane seen seen seen euh, opposition ci ci ci ci mais aujourd'hui des opposants sont traqués sont emprisonnés dans ce pays. Hmm. Gambie Yaya Jammeh dafa doon jël ay jeunes yoo xamante ne dañoo dañu doon wane seen nakar di leen tëj mais actuellement au Sénégal c'est la même chose les jeunes wi ñuy jàpp ni ci ay manifestants parce que dañoo bëgg a wane seen nakar on parle de mille et quelques jeunes détenus jeunes qui ont été ñu ngi mais la Gambie c'était ça auparavant pourtant les sénégalais ñoo doon taxaw Sénégal dit tirer à boulet sur la Gambie dit non oui Yaya Jammeh un dictateur oui Yaya a mu ngi Gambier aujourd'hui on tue dans ce pays <laughs> voilà vous continuez de dire que le Sénégal c'est est un pays démocratique. Hmm. Gambie fille la tolloon fille ci jamono Sénégal fu mu toll nii xam nga sais pas si def am voilà. Vous parlez de la Gambie avec tous les mots que vous employez. Nous savons ça les mots. C'est clair. On prenait tous les mots, nous sommes de côté Gambie. Aujourd'hui, ça se retourne. Il y a la moyenne à faire à Scan. Aujourd'hui, ce que Gambie vivait. Mais mais le Sénégal. c'est la même chose. Sénégal, c'est la même chose que le Sénégal vit. Euh, non, mais, avant attends. Mm, mm. Yo, Fonekon, quand on parlait de Gambie, qu'il y a des tué des opposants, Yaya Jammeh téye des jeunes yoo xamante ne dañoo d'accord dañoo d'accord attends écoutez dañoo d'accordul dañoo euh, dañoo d'accord des jeunes yoo xamante ne dañoo d'accordul contre euh, la la la comment dirais la gestion de Yaya Jammeh ba ñu wooyee ko dictateur hmm. mais aujourd'hui au Sénégal <laughs> mais c'est la même chose aujourd'hui de mars 2021 jusqu'à 2023 ñaata jeunes la ñu rey <laughs> waa ñaata jeunes la ñuy rey ban ana enquête bi est-ce que am na enquête la jeune femme que est tout récemment encore, dis une autopsie Moi, j'ai écouté l'interview de, de, docteur, Baba Karignan à, à sur une confrérie. Mais le gars, il l'a démontré pièce par pièce. Tu autopsies comment ça se fait. Hmm. Mais l'homme démontré, tu ne le verras pas dans le document que a publié le procureur hier. Voilà. Vous voulez dire que Gambitol ou une fille, mais c'est la même chose. un Djemme, l'homme donne diriger Gambi aujourd'hui c'est la même chose que le président sénégalais dirige le Sénégal et y dañ quand il parle dans les conférences internationales Gambien dañ ko de quoi ça a Aujourd'hui, c'est la même chose avec qui Enfin, c'est clair. Enfin, c'est clair. Alors, donc, nous avons par rapport à la sortie de Cheikh la télévision sur Alors, nous avons exactement, enfin, 5 ans qu'on donne procès, mais nous avons aussi nous avons dit que euh, nous avons euh, euh, rassemblement, préfet de Dakar, nous avons dit interdire, nous avons dit collectif pour la libération des détenus politiques nous avons daanu fa place de la nation fa nga xam ni itam mooy zaanuk fii si risque de trouble à l'ordre public di joxe ak aussi entrave à la libre circulation des personnes et leurs biens euh, sont des raisons avancées par l'autorité préfectorale qui charge le commissaire central de Dakar de l'exécution du présent arrêté maniko arrêté bi nak wàcc na ko li dab lu ni mel ko mudi amalati euh, fa nga xam ni itam moo di ko place de la nation ti ji leen bëggoon daal di amal rassemblement euh, ni daal day alerté par rapport ak li nga xam ne boutique écoli école yi euh, tension politique bi fils Sénégal exactement alors aujourd'hui le préfet a encore euh, interdit li nga xamné que cette manifestation trouble à l'ordre de daal avancé entrave à la libre circulation des personnes et des biens exactement mais c'est le même document hmm. il y a même pas de changement hmm. c'est le même document ma c'est comme si on change l'entête l'entête du document c'est-à-dire que la date et on reproduit on nous le même document c'est la même chose le préfet de hmm. Dakar <laughs> <laughs> mais mais mais les les manifestations nombreuses lui mu interdit mais c'est ce qui a ce s'est répercuté de de de de de de de de la visite ou bien. donc euh, euh, Macky Sall à à New hmm. York. c'est la même euh, chose jàpp nga ni tout le temps même phrase non mais c'est les mêmes phrases qui à l'ordre public regarde les mots les mots forts les mots forts là trouble à l'ordre public entrave c'est quoi bon trouble à l'ordre public. Mais peut-être euh, euh, il est le mieux euh, non, c'est quoi, Non, attends, écoutez... est niveau Attends, écoutez, il ne faut pas chaque fois que les Sénégalais, il est le mieux informé. Est-ce qu'il est le mieux informé hmm. En réalité, est-ce qu'il est le mieux informé hmm. <laughs> Voilà Est-ce qu'il est le mieux informé Non, mais écoutez, trouble à l'ordre public, c'est quoi trouble à l'ordre public C'est des rassemblements dans un dans un dans un espace public. il n'y a même pas de mars c'est quoi trouble à l'ordre public pourtant il y a des meetings ah il il parlait dem mais <laughs> il y avait trouble à l'ordre public il y avait trouble à l'ordre public pourquoi le préfet n'a pas interdire la sortie de amadouba en chargeant la gendarmerie la tâche d'arrêter Amadouba. Il euh, faut poussière surtout président Macky Sall. non attends Macky New York. attends JR le même le même la même personne est le candidat de benoît Bokk hmm. on prend une un alibi parce que c'est le premier ministre pour faire cette campagne déguisée. c'est la même chose. il faisait des récupérations politiques Amadouba. Euh, malheureusement, ils vont dire que c'est, il est parti à Tiwawan en tant que Premier ministre. Hmm. <laughs> non, mais arrêtez. Le Premier ministre aujourd'hui... Donc, campagne de... analyse c'est la vérité. parce que moi Premier ministre moi aussi le candidat de benoît Bokk <laughs> maintenant il est parti pour représenter le président de la République bou tamit. Il, est parti en tant que, euh, euh, euh, candidat de Benno Bokuyaka. Hmm. C'est la même chose. Hmm. Moi, je ne vois pas <laughs> en quoi Amadouba est différent de Bougan Gaydani en quoi il est différent de, de, de, de, comment de Malik Gakou et autres. Donc, li nangul Amadou Ba, mais li nangul Amadou Ba, wan nañ ko mëna nangul les Bougane Gueye Dani, euh, c'est clair. Wan nañ ko mëna nangul les les les, les Malik Gakou, hmm. war nañ ko mëna nangul moy association bobu ko ci bo xamantene dafa bëgg def tay euh, comment dire rassemblement hmm, pour alerter sur l'éducation c'est pas euh, c'est pas manifestation. Il faut pas dire que dañu bëgg def manifestation euh, autorité publique bi interdit mm. déedéet mm. bëgg def euh, euh, rassemblement à la place de la nation parce que c'est bien titré la place de la nation mm. képp ku am li la nakari li nga bëgg message bi nga bëgg jallalé fofu dem parce que c'est bien dit la place de la nation maintenant dans la place de la nation c'est quoi c'est quoi pour comment euh, le préfet le préfet et comment adresse le euh, trouble à l'ordre public c'est quoi trouble à l'ordre public parfois ils utilisent des mots quand même un peu féroces c'est quoi trouble à l'ordre public c'est des sénégalais pour préparer d'éventualité euh, par rapport à la l'ouverture des classes hmm. il faut que nous Artou, voilà jéem me prendre une longueur d'avance par rapport à octobre léegi mu rentrer des classes légui mu mu ñëw te ñoom wax ubbi tey vous tey maintenant bu féké kuréel bobu jëlul comment euh, comme adresse ay euh, sen matuwaay euh, par rapport ak lu mëna a xew suba parce que ce qu'on voit là les élections ça peut troubler moy moy manam ouverture bi maintenant bu féké li élections yi campagne la campagne d'ici le mois d'octobre maintenant comment on va vivre comment les jeunes les élèves vont vivre avec la campagne. c'est clair Moi, je suis bu mel ni bu bëggee jël les devant, nous ñu nous leen déedéet doo leen ko parce que trouble à l'ordre public c'est quoi chaque fois trouble à l'ordre public et on voit jamais ces troubles à l'ordre public là. Hmm. il faut que nous baillions. c'est clair il y a une liberté qui est là Nous, tant que chaque jour nous taxaw di que ñoo Sénégal dëkk yoon la dëkk liberté la dëkk démocratie la avons ñuy bako démocratie il y a un recul démocratique dans ce pays il y a des acquis Il y a des nañ on les a plus ak yooyu dañ ko perte dañoo perte ak yooyu Abdoulaye Wade ak loo mën à waxal euh amna yenen ak yo xamantene daf ko sam daf ko teg à la voie dans la voie publique sénégalais du di ko bàkkoo attends ci Abdoulaye Wade nga gis euh, lu melni ni Niass yor xeer ci wutali assemblée nationale sans être inquiété, hmm. sans être même, euh, comme adresse convoqué, convoqué par la brigade euh, de la gendarmerie, de la section de recherche, hmm. ni la sécurité urbaine. Hmm. Pourtant, euh, quand tu vas à YouTube, tu vois les images jusqu'à présent de Mustafa Nias, Bouyor Kher tu vois aussi les images de Mambaïna, les jeunes là, sont Sangé, Assemblée nationale, Bayi, les gris les gris les gris de l'Assemblée nationale. Ablawad, Moko, Moko permettre Pourtant, Ablad avait euh, euh, euh, cette force de violence légitime. Pourquoi Parce qu'à mon accord. Mais il n'a pas exercé cette violence légitime. Hmm. Pourtant, pourquoi exercer donne une, une violence légitime. Hmm. Parce que <laughs> aujourd'hui, le président en, exercice, mon bako, le bako à travers ces institutions-là de force et de défense, dit non, oui, je vais protéger la République. Ouais, je vais protéger la justice sénégalaise il y a deux pouvoirs le pouvoir exécutif. il a bien dit France 24. le pouvoir euh, euh, exécutif ne va pas s'immiscer des affaires du pouvoir judiciaire. pourtant moi je vais protéger la justice sénégalaise. nous on va protéger l'institution juridique sénégalaise comment ils vont protéger ça c'est la justice sénégalaise qui doit protéger même l'exécutif. c'est la justice sénégalaise qui doit protéger le citoyen lambda de ce pays parce que maa yow bu ñu problème fan la daw. fu mm. mbaxane doone ben c'est mm. la justice. Mm. mais aujourd'hui ñi ngi taxaw sa amuñu espoir amatuñu espoir di amono su yaakaar ci justice bobu ñom ñi taxaw di nan on va protéger la justice <laughs> qui va protéger la justice c'est le contraire qui devait se produire aujourd'hui eux ils parlent du contraire c'est pas des personnes euh, comme ça des des civils qui vont protéger la justice c'est la justice qui protège les civils les citoyens <laughs> voilà ou bien Aujourd'hui, vous me parlez du, comment, document que, que, le ministre de l'Intérieur a dit, Boynan. c'est le président de la République de le, le président de la République de Antoine. Non, non, non, non, Il y a amalgame dans ce côté. Alors, dis pas. par rapport attends, le ministre de l'Intérieur, quand il quand nommé. Donc, le ministre de l'Intérieur ne peut pas parler. Alors ben affaire bu bu le président de la république alors <laughs> <laughs> il faut rectifier là-bas <laughs> il faut rectifier donc euh, mhm. dañuy daal di jàll si euh,